Ils sont en train d'envoyer aussi des pierres sur le véhicule du président Ousmane Sonko. ils sont en train de reculer. on va avancer. on va avancer. on va avancer. on va avancer il y a des éléments du GIGN. La gendarmerie est en train de lancer des pierres sur la, sur la presse. ñu ngi sànni ay ñu ngi ay presse On ira embarquer. On sera à On ira embarquer. On sera à Le face à face est là. Le face à face est là.

Nini nonou Mingi nonu. Voici le dispositif. Gendarmerie mingi sani ay khair, Mingi sani ay khair sur le véhicule de la presse. Lacrymogène yi comme mingi Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. On est coincé. Inch'Allah, on va essayer d'être au poste. yàlla baax na baax na ci xare ñu nekk mi ngi noonu mi ngi noonu mi Notre véhicule est attaqué. Notre véhicule, le véhicule de la presse. C'est le véhicule de la presse. C'est le véhicule de la presse. C'est le véhicule de la presse. Attention. pô, pô, pô. Oh, yeah. ils ont gazé le véhicule de la de la presse Nous toujours au poste non seulement ils nous ont gazés mais vous l'avez vu dans les images le véhicule est entré en direct en collision Mec auto presby, auto gendarmerie on a quelques blessés du côté presby. bi Jambarlo jàmbaarloo ne continue. continuer Mais le face à face continue on ne bouge pas on ne bouge pas Mais nous, nous... Mais côté on nous signale que jeunes faut à vous on nous signale mbaké ngi noonu boy yi nañ ay pneu la gendarmerie ñoo ngi noonu le drapeau du Sénégal qui frotte mi ngi noonu mi ngi noonu saxaar ci ngeen seen ci ginnaaw jeune mbaké ñoo commencé ñoo commencé les affrontements mi ngi noonu mi ngi noonu Mbacké mi ngi nii voici ce qu'a fait Macky boole askan wi ak ñi ñuy fay ba kenn mënut a dem ba ñi ngi noonu di ñu sànni ay xeer comme ni ngeen ko gisee na ngeen na ngeen taw dañuy taw dañuy jeexal dañuy jeexal. lu tiit bu ragal. aw lu ma ndeyam. Hey, come on, come on. Mais nous j'ai reçu un projectile dañ ma projectile téléphone mais on est au poste on est au poste et on sera au poste on est au poste et on sera au poste Touba Tuba Touba m'baké. face à face baa nous Mbacké ngi noonu mi ngi noonu li le gouvernement bi créé li le gouvernement bi li le gouvernement bi def li li la état bi def état bi def comme vous le voyez ils ont lancé un projectile direct sur le véhicule du président Ousmane Sonko Nous nous une tentative d'assassinat mais ils ont tiré directement tir tendu sur le véhicule du président Ousmane Sonko Ils ont tiré directement, yaa ngi jàmbaarloo ak ñoom xale yaa ngi ak ñoo tàppe ngi noonu. on va progresser. Mbacké ngi noonu yéen a ngi seen. Mbacké ngi noonu. Đi này, đừng mút. Anh anh anh. Cái xe ăn được, xe ăn được, xe ăn được. Cái đạp bắn đâu? Ini nonu, kau nanya yang bënn nañu yoon li ñuy dem kenn mënuñu tere dem ci Mbàkke mi ngi noonu na ko fi am na yoon mi ngi noonu bënn nañu yoon kenn mënuñu tere dox biir Mbàkke bënn nañu yoon mi ngi noonu on progresse on est à Mbàkke on est à Mbàkke bënn nañu yoon amul police ani lépp loo xamante c'est manifestement illégal ñoo ngi ci the vehicle.